auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous savoir au rendez-vous du Niger sur Kalangou. J'espère que vous allez bien depuis vos positions. Pour ce rendez-vous, je suis avec Ali Moukaila Ousseini, alias c'est non 50%. Mais avec moi aujourd'hui, on va atteindre les 100%. C'est nous, comment vas-tu Je vais super bien, Olivier, et j'espère pareil. Hein. chez nos auditeurs et auditrices, nous sommes encore ensemble pour une heure de radio et aujourd'hui, nous allons faire le tour du Niger en 60 minutes à travers nos rubriques en complicité avec les différents correspondants. L'invité du jour est M. Moussa Issa Ousmane. Avec lui, nous allons parler de l'art, de la formation artistique, mais comme l'exige la tradition dans cette émission, nous allons commencer avec le Flash Info. C'est la minute du Flash Info avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Olivier Aksobavi. bonjour Ali Moukaila Ousseini. Nous débutons ce flash d'information avec euh, l'agenda présidentiel. Le président de la République, Bazoum Mohamed, euh, s'est entretenu hier euh, dans l'après-midi avec le nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication, CSC, conduit par son président Salif Labo Boucher. À l'issue de l'audience, le nouveau président de l'institution de régulation du secteur de la communication du Niger a indiqué que c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous avons été reçus par le président de la République pour lui présenter le nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussi reçu les membres de la Cour des comptes euh, du Niger qui sont venus lui remettre le rapport général euh, public de l'institution. Après la remise euh, du rapport, euh, comme chaque année, le président de la Cour des comptes, professeur Nare Umoru, a indiqué à la presse que l'objet de cette audience est la remise officielle du rapport général public qui a, qui a été établi par la Cour des comptes. Enfin, une délégation d'officiels italiens a remis hier mercredi un don au président du conseil de ville de Niamey, Omaro Moumouni Dogari. Ce don, composé de mobilier scolaire, est destiné à l'usage de plusieurs écoles primaires de la ville. Il est composé de 1500 tables bancs, 60 armoires métalliques, 60 chaises et 60 bureaux. C'est tout pour euh, ce flash d'information de ce jeudi 20 avril. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues Olivier Assobavi et Ali Moukela Ousseini pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci Mokhtar, euh, chers auditeurs, C'était le Flash Info, cette rubrique hein, qui nous permet d'avoir une idée des faits et dates qui marquent la journée. L'invité du jour euh, est avec nous. Il s'agit bien de Moussa Issa hein, Diko. Il est membre euh, du comité d'organisation du festival euh, Émergence. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de l'art, plus précisément l'art du théâtre. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Seini. Tu vas bien Bonjour Olivier, oui je vais très bien. On est très heureux d'être avec toi. Mais moi aussi, malgré tout. <laughs> Super. <laughs> Ben, bien avant de t'écouter, nous sommes à quelques heures de la fin du mois de Ramadan et à cette occasion, nous vous invitons à suivre le prédicateur Mustapha Armadou qui nous explique comment prélever le Zakali Fitir qui marque la fin du jeûne. Il est au micro de Mustapha. Ça va venir maintenant l'étape des ce qu'on appelle zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est l'aumône de fin de jeûne de Ramadan, l'aumône de rupture de jeûne. Donc c'est ça, zakat al-fitr. Et c'est une zakat qu'on prélève dans les céréales. On ne donne pas ça en devise, mais on prélève ça dans les céréales qui fait les plats de la fête. Et on les prélève avec une certaine mesure qui est déjà connue. Donc et on donne aux pauvres. Cette mesure-là, c'est une coupe. Donc chaque enfant à charge, vous lui prélever quatre mesures. Ainsi de suite, il y a les pâtes alimentaires, il y a tous les autres aliments qu'on prépare le jour de la fête. Et on donne aux plus pauvres, aux plus démunis et ceux qui ont des handicaps qui leur empêchent d'aller les choses. Oubina Sabir, comme a dit Allah, Oubina Sabir, c'est un voyageur qui a retour donc de provisions. Quand on le rencontre lui aussi, il est parmi les catégories des gens à qui il faut donner ça. Donc, il y a aussi les rituels de la prière, du, le jour de la fête, les plats de la fête, les félicitations entre, les visites et les félicitations entre de parents, de frères, de connaissances, n'est-ce pas, donc euh, de jouissance. Mais on ne va jamais à la prière à jeûne. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes de retour. J'espère que vous avez passé de bons moments avec euh, nous grâce euh, au conseil de nos prédicateurs et des chefs et des religieux qui nous ont accompagnés. Exactement. Merci hein, pour ces conseils hein, qui nous ont accompagnés pendant tout ce mois de jeûne. Nous poursuivons notre émission avec notre invité du jour. Il s'agit bien de Moussa Issa Ousmane Diko. Je rappelle qu'il est aussi euh, un diplômé euh, de l'école du théâtre du Bénin et il fait partie euh, du membre du comité d'organisation de, du festival Émergence. Alors, la tradition nous demande de présenter l'invité, mais aujourd'hui, on va faire l'inverse. Exceptionnellement, présentez-vous, s'il vous plaît. Euh, merci. Donc, euh, comme euh, l'a dit, donc Moussa Issa Ousmane, c'est mon nom à l'état civil, mais je suis plus connu dans le domaine euh, sous le nom de Moussa Diko. Diko qui est aussi mon nom de famille. Donc je suis d'origine burkinabé et au Niger, les noms de famille ne sont pas officiellement inscrits. En tout cas, euh, jusqu'au jour de ma naissance, n'étaient pas officiellement inscrits sur les, diplômes, enfin, sur les papiers d'état civil. Mhm. Euh, je suis artiste comédien, je fais du théâtre et, et je travaille avec Forge Art, mm. qui était Rennes Théâtre, donc qui, est, euh, qui, qui, qui, tient depuis plus de 16 ans le festival Émergence euh, dont je pense qu'on va un peu parler. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler du festival, mais avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui vous intéresse autant dans l'art théâtral Parce que vous êtes allé jusqu'à étudier l'art. Enfin, quelles sont les raisons donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans le théâtre Pourquoi le théâtre <laughs> Bien, euh, vous savez qu'on peut prendre des jours pour parler de ça. Bien sûr, mais, on n'a que quelques minutes. <laughs> D'accord. Alors, pourquoi le théâtre euh, vous savez, le, théâtre, c'est comme un appel. Euh, moi, quand j'ai décidé de faire le théâtre, j'étais parti parce que je voulais faire le matu vu au lycée pour impressionner les filles. Ah. Mais à partir d'un certain <laughs> moment, après, beaucoup, après beaucoup d'expérience, on se rend compte que en fait, euh, notre vraie motivation, on la trouve. Pourquoi le théâtre hmm. Le théâtre, c'est un acte de rébellion. En fait, l'art, c'est un hmm. acte de rébellion. Tous les artistes sont des gens qui se sont révélés un jour contre quelque chose dans leur vie autour d'eux. Euh, moi, j'étais pas d'accord de, de la vie, euh, enfin de la routine, euh, de, se contenter boulot, dodo, maison, comme on dit. Hmm. Et j'avais besoin d'un petit stimulateur. de sortir de la route. Voilà, ça hmm. c'était ma première motivation. Hmm, Après, bien sûr, on se trouve investi d'une mission, on se retrouve représentatif euh, d'une culture. Et ça, c'est en faisant le chemin. Hmm. Euh, en, gros, c'est ce que je peux dire. Pourquoi le théâtre Moi, je l'ai choisi parce que d'abord, ça me plaît. C'est une passion, évidemment. Mhm. Et après, ça, ça s'impose comme euh, euh, un métier. Hmm. Donc, il faudra en vivre. Effectivement. Et voilà. Alors, vous êtes plus engagé dans la formation des talents. Pourquoi ce choix pourquoi ce choix Parce que moi-même, j'ai été accompagné. <laughs> Mhm. Et j'ai été accompagné il y, a, il y a cinq ou six ans quand je voulais partir à l'école de théâtre, vous mm. savez, le théâtre déjà au Niger, mm. c'est un contexte très très fragile. Mm. Euh, vivre du théâtre, on est d'accord, c'est compliqué. Donc choisir faire du théâtre et être accepté, c'est aussi un autre combat. Effectivement. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Ma famille m'a accompagné. Parce que les parents étaient artistes Non, pas du tout. Mais mon père m'a compris mon choix. Il m'a il, m'a accompagné euh, d'ailleurs, quand je m'étais inscrit à l'école, c'était son numéro que j'ai donné et c'est lui qu'on a appelé. Mhm. Donc c'est lui qui m'a appelé pour me dire que j'étais été retenu. Donc j'ai été soutenu. Euh, après, Forge Art était mon premier partenaire. C'est des gens qui ont compris euh, ce que je voulais faire et qui étaient d'accord pour m'accompagner. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'activités pour effectivement pour, pour, encourager les talents. Mhm. et, par exemple, nous tenons un rendez-vous mensuel qui est fait justement pour ça. Ça s'appelle les passe. C'est un cadre, c'est une soirée, c'est comme un cocktail d'événements en une soirée. En une soirée, on fait du théâtre, euh, on fait de la danse, on fait du concert live en une soirée. Mais revenons sur le, sur le, sur le euh, sujet. Mmh, le théâtre. Le théâtre mmh. et, euh, accompagner les talents. Mmh. Effectivement. En fait, nous avons initié ce concept parce que les artistes ont besoin d'un cadre à eux. Il nous faut une maison où nous pouvons, quand nous le souhaitons, mhm. nous exprimer. Parce que l'art, avant tout, c'est aussi une forme d'expression. Et c'est en s'exprimant, on découvre. Parce que nous invitons tout le temps. chaque mois, vous imaginez qu'on crée un spectacle de théâtre. Je vous assure que ce n'est pas facile. Bien sûr. Donc, vous créez un spectacle de théâtre avec des gens de plusieurs générations différentes des gens qui n'ont pas les mêmes expériences. Mhm. Donc ça devient une école continue de formation. Mais est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à l'art comme il le faut Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir de manque d'acteurs ou bien des jeunes qui sont pas trop motivés ou bien des jeunes qui commencent mais surtout les filles qui après euh, tout de suite se marient, pas tout de suite mais arrivé à un moment donné se marient. Est-ce que explique-nous un peu ce contexte Ça existe dans, tous les domaines. Hum. L'art encore plus certainement, mais ça existe dans tous les domaines chez nous, c'est vrai que euh, moi, je, moi, je suis arrivé au théâtre, vraiment, j'étais très jeune. Mhm. Et c'était par le contexte du Festili, qui est un festival de théâtre inter-lycée. une initiative toujours de Forge Art, mhm. qui était à Théâtre à l'époque, qui consistait à faire du théâtre dans les lycées avec les élèves, donc sanctionné de la surveillance d'un enseignant de français. Mhm. Donc, ce programme a longtemps existé. Je pense que cette année, on sera à notre 15e édition, si je ne me trompe pas. Donc ça a longtemps existé. Et c'est ce cadre qui m'a amené, moi, sur la scène professionnelle. Mm. J'étais au lycée mm. et il y a eu ce programme mm. qui m'y a amené. Donc, des jeunes, on peut dire qu'il y en a qui s'intéressent. Les filles, les femmes plutôt, excusez-moi, ont toujours ce problème de, de, société. Déjà, nous-mêmes qui sommes les hommes, <laughs> nous, nous, en sortons difficilement parce que socialement, n'est pas facile euh, d'être vu comme artiste, être compris comme artiste, encore, mm. c'est un exploit. Mm. Et, et aujourd'hui, nous, avons, euh, nous avons quand même pu créer un noyau dynamique euh, qui, qui, comporte pas mal de jeunes. Je ne sais pas prétentieux de le dire, mais actuellement au Niger, c'est un noyau unique, un modèle unique qui existe et qui fonctionne tout le temps. Donc, ce n'est euh, vous arrivez, c'est pas forcément que les jeunes ne s'intéressent pas ou ne s'intéressent pas, mais vous avez quand même réussi à trouver un créneau pour fidéliser certains jeunes. C'est ce qu'on doit comprendre. Exactement, pour fidéliser certains jeunes et surtout, euh, surtout aussi le public. Parce que pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'on voit. Il faut du public, forcément. Nous allons faire une petite pause pour euh, écouter les conseils du nutritionniste. Dans la deuxième partie de cette interview, nous allons revenir sur votre festival Émergence. Parmi les facteurs de contamination, vous avez les mouches. La mouche qui va sur une matière fécale, elle va naturellement prendre des contaminants dans la matière fécale et aller déposer dans l'aliment. L'autre facteur de contamination, ce sont le contact avec les poubelles. Souvent, vous allez voir les vendeuses, les vendeurs sont à proximité des poubelles et, et généralement, malheureusement, l'aliment n'est pas couvert. Donc, du coup, l'air peut véhiculer les contaminants de la poubelle vers votre aliment. Vous avez aussi un autre facteur de contamination, c'est la manipulation non hygiénique des aliments. Et vous remarquerez que souvent, c'est la même vendeuse qui prend les pièces, c'est la même vendeuse qui va vendre l'aliment. Donc là également, les pièces peuvent être porteuses de, contaminants et il y a des risques liés à, ces pièces-là. Et ces contaminants peuvent malheureusement entraîner des intoxications alimentaires. Par exemple, vous avez les, salmonelles. Les salmonelles, c'est très connu, c'est la première cause d'intoxication. Type fièvre typhoïde, c'est lié à un type de, un type de salmonelle. Vous pouvez avoir également des diarrhées et des vomissements qui sont également causés par des salmonelles. Par exemple, lorsqu'on fait de l'arrosage avec euh, les feuilles, avec les matières fécales, comme je l'ai dit. Pour briser la chaîne de contamination, il y a des mesures assez simples à respecter. On n'a pas besoin de gros moyens pour respecter. Et il y a des grillages anti-insectes qu'on peut utiliser pour empêcher à ce que la mouche ou l'insecte qui va faire ses promenades entre guillemets au niveau de la matière fécale vienne se poser sur notre aliment. il y a une mesure assez simple, c'est simplement de prendre la disposition pour ne pas vendre l'aliment à côté de la poubelle pour éviter les contaminations. Je pense que c'est des mesures assez simples qui peuvent avoir un effet positif sur la qualité hygiénique des aliments. Et comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de gros moyens pour pouvoir respecter ces mesures assez simples. Merci Razak Bello, notre nutritionniste du jour, interrogé par Mokhtar Amadou. Il nous a parlé de l'hygiène alimentaire, notamment des aliments vendus dans la rue. Beaucoup de personnes parmi nous achètent ou mangent régulièrement certains aliments qui ne respectent malheureusement pas les hygiènes, les règles d'hygiène et d'assainissement. Chers amis, prenez soin de vous et sachez ce que vous mettez dans vos ventres. Très important. Nous revenons à notre invité du jour qui nous parle de l'art théâtral sa passion et son rôle dans la transmission du savoir. Parlons du festival Émergence. Comment est né ce festival qui existe depuis euh, plusieurs années déjà 15 ans, si on se rappelle bien de ce que Dico nous a dit. Ouais. Bien, merci. Euh, l'année passée, c'était donc la 14e édition. Ah. Cette année, s'il y a donc 15e. Alors, comment est né le festival euh, pour un jeune, on va dire, de mon âge. déjà, le festival est né avant, <laughs> avant ton entrée dans la carrière. Et ça, c'est clair. <laughs> Ça, clair. Donc, euh, euh, euh, moi, j'ai pris le festival en cours. Et de ce que je comprends bien, le festival Émergence était venu dans un contexte où les artistes, enfin, les, artistes qui travaillaient à Arène Théâtre à l'époque, voulaient trouver leur, leur propre, comme je disais, leur leurs propre moyen de, mobiliser, de, mobiliser des ressources mhm. afin de former des jeunes en fonction du besoin, des jeunes comédiens, et former aussi des professionnels autour du métier. Parce que le Festival Émergence a formé la première génération de, de, hum, critiques, de critiques euh, en matière d'art, de mhm. théâtre. Et donc de former des jeunes, de mettre un noyau en place pour que l'épanouissement de l'art soit effectif. Euh, euh, franchement, pour parler du festival Émergence, Il serait été intéressant d'inviter notre chargé de com. Il n'y a pas de problème, on aura, on aura le temps de, le rencontrer. Là, là, le festival grandit et on s'en réjouit pour vous. Et il y très peu de, il y a très peu de festivals, si je me rappelle bien. C'est le seul festival de théâtre qui existe au Niger. Si je me trompe, tu es là pour me le rappeler. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui quel est le rôle social que ce festival joue il suffit juste de pas il suffit pas juste d'apprécier les artistes oui tout à fait alors déjà nous sommes euh, nous sommes euh, installés à Seno oui. qui est dans un quartier périphérique de la ville de Niamey. Pas 50%, hein Non, <laughs> Seno c'est à Harobanda. Ça c'est le nom d'un quartier. <laughs> c'est à Harobanda, donc euh, c'est nous mm. sommes installés au cœur d'une population qui nous a vu grandir en tant qu'institution. Donc, je parle de Forge Art. Mm-hmm. Donc, des gens avec lesquels nous travaillons tout le temps. Mm-hmm. Et ces gens sont constamment dans toutes nos activités, aussi bien les femmes qui sont là autour de nous à travers leur groupement que les jeunes que nous formons régulièrement sur le festival à travers des, des formations en danse, des formations en en régie, son et lumière, des formations en jeu d'acteur, donc euh, pour le théâtre. Ah, il est euh, bien de le préciser aussi que quand on parle de l'art théâtral, il n'y a pas que les artistes. Derrière les artistes. C'est toute une industrie. Voilà, c'est toute, une, industrie. Donc c'est bien de préciser. des, formations en administration culturelle, hmm. des formations en batik euh, et, tout ça, c'est des formations souvent qui intéressent la population locale mm. et avec laquelle nous travaillons constamment. Est-ce que ce type de formation, ce sont des initiatives qui sont ouvertes à d'autres personnes Parce qu'on est à la radio, probablement les gens seront intéressés par ce que vous dites. fait. Est-ce que c'est un jeune aujourd'hui qui cherche son chemin peut faire carrière Trois, mois d'avance, nous, nous mm. lançons des appels à candidature et en tout cas, nous utilisons en tout tous les moyens de communication mm. pour que les jeunes, enfin pour que les gens soient au courant que cette, cette formation existe ou que ce cadre existe et qu'ils peuvent euh, en fonction. Ça dure combien de temps ce, type de formation La formation très souvent ça commence un mois avant le festival. Ah oui, c'est juste dans le cas du festival qu'il y a les formations. Pas, du tout. Alors, nous, nous, avons, <laughs> vous avez la chance, hmm. moi-même, je coordonne les activités là-bas et je dirige justement euh, le volet formation. Donc, pendant toute l'année, nous mettons en place une série de formations. Nous avons plusieurs types de formations. Actuellement, actuellement à Sénon, il y a la formation en couture qui est en train de se faire, qui finit aujourd'hui, qui a commencé il y a quatre jours. Et donc, l'idée, c'est de donner des outils aux gens afin qu'ils en fassent quelque chose. Hmm. Pourquoi former Vous voyez, nous, nous faisons du théâtre mais nous sommes aussi une organisation non gouvernementale proche de la population qui comprend les problèmes de la population avec laquelle nous travaillons régulièrement. Mhm. Donc de temps en temps, nous leur, offrons d'autres outils, en plus des outils du métier du théâtre et tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est comme ça que nous tenons des séries de formations régulièrement en fonction des experts qui viennent pour les, pour les animer. Mm-hmm. D'accord. Alors, euh, le Niger fait partie des pays qui sont secoués par euh, l'insécurité. Pensez-vous que le théâtre peut aider à la paix et, ou, disons, à la cohésion sociale Bien sûr. Est-ce que vous abordez ces thèmes dans vos créations Alors, oui, tout à fait. Euh, le théâtre est un, outil phare. À l'origine, le théâtre, c'est vrai, euh, a été un outil de distraction. Ça, c'était son premier objectif. Mhm. C'était pour distraire, tout en transmettant un message. Maintenant, le message, c'est lequel vous comprenez mhm. Donc nous, euh, nous travaillons sur beaucoup de projets similaires à cela. Mhm. Par exemple, au cœur, d'abord, ce, qui est embêtant, c'est qu'on ne parle pas vraiment du théâtre mm. pour qu'on comprenne. Mm. Mais euh, le, le, le, théâtre comme facteur de consolation de la paix, comme d'outil de consolation de la paix, euh, le théâtre, comme je le disais tantôt, est, un outil qui a longtemps été utilisé mm. pour canaliser les esprits et les énergies à travers le message, tout en se distrayant. Euh, de quel projet je peux parler qui peut clairement donner une vue à ça <laughs> Allez-y, donnez-nous une image. Quel est le projet Quelle est euh, la création que vous avez faite et quelle a été la chose Faites rêver nos, auditeurs et auditrices. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, euh, parce qu'on parle, on parle de c'est vrai que le, Niger est un pays qui est un peu instable en matière de sécurité, mm-hmm. mais nous, nous vivons loin de tout ça, en mm-hmm. fait. Vous comprenez mm. Nous vivons loin de tout ça. Euh, donc, clairement, euh, en matière de sensibilisation, mm-hmm. Euh, nous avons été dans des zones où il y a eu, euh, par exemple, le conflit entre éleveurs et, et, cultivateurs. Là, on a amené le théâtre de sensibilisation afin d'expliquer à chacun que nous avons tout, intérêt à travailler ensemble plutôt que de nous combattre, enfin. Mhm. Parce que ce sont des petites guerres qui entraînent la grande guerre. Parce que c'est ça qui amène les communautés à s'affronter, mhm. quelque chose qui part de deux personnes. Et le théâtre a longtemps servi de ça. Euh, j'ai travaillé très longtemps dans, un dispositif qu'on appelle théâtre participatif pour le changement de comportement, TPTC. Mmh. Et, ça faisait que ça. On partait dans les quartiers pour recenser, pour écouter les gens, les écouter, les écouter, de nous parler de ce qui les dérange comme fléau. Mmh. Ça peut être du banditisme, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, des agressions sexuelles, ça peut être euh, des jeunes qui se lèvent et qui font la loi. Mais ils nous racontent tout ça on recense, on passe une journée à les écouter. Après, on va, on met tout ça ensemble. Une sorte de thérapie sociale, quoi. On écoute, mhm. après on met ensemble, on, en tire un spectacle qu'on veut leur montrer sans tirer de conclusion. On leur montre ce qu'ils nous ont dit. Mhm. Et à travers ce qu'on a fait, ils se retrouvent. Et c'est à, à, deux volets très souvent. Il y, a le volet donc spectacle et ensuite le volet euh, discussion. Débat. Et les débats, souvent, ça va loin parce que quand la personne euh, qui, intervient d'abord situe que ah mais ça on a déjà vécu ça chez nous puisque c'est anonyme on, ne mm-hmm. cite pas les noms mm-hmm. mais on avait ah oui on a déjà vécu ça ok toi à ta place euh, si tu étais à ta place que ferais-tu mm-hmm. et au lieu de dire il va faire mm. donc le comédien est déchargé, il va s'asseoir et lui, il joue son rôle tout en apportant sa solution. Merci beaucoup de jouer ce rôle. On va peut-être terminer, mais cette cette dernière question, est-ce que vous suivez l'actualité digitale en ce moment L'actualité digitale, oui. Les intelligences artificielles et tout. Oui, oui. Vous pensez qu'un jour on peut avoir des robots sur scène ou bien des robots qui. <laughs> Euh, c'est comment hein Qu'est-ce que vous pensez de l'influence de, du digital dans votre monde Moi, je dirais, avec l'évolution de la technologie et surtout l'envahissement des Chinois, mm. <laughs> euh, c'est peut-être qu'un jour on, on, aura des robots sur scène. Mais ça ne, pour, ça ne suffira jamais pour remplacer un acteur. Parce que le théâtre, c'est vivant. Ça se fait maintenant. Une pièce de théâtre, ça joue 100 fois et ce n'est jamais la même chose. Mm. Alors que le robot, certainement, vous comprenez ce que je veux dire. le théâtre fait partie des arts vivants, tout comme la danse, le cirque. C'est des choses qu'on fait dans le moment, qu'on fait avec le public, en contact avec le public. Et ça, c'est humain. Comme quoi, la, machine n'aura jamais de la dame, quoi. ça, c'est certain. <laughs> bah, merci. Est-ce que tu as aimé passer du temps avec nous euh, oui, enfin, c'est la première fois que je rentre dans les locaux du studio même, hmm. Kalangu. Hmm. Et oui, c'est agréable comme ambiance. Merci beaucoup. On espère que ça sera pas la dernière fois. Et c'est sur ces mots que nous allons te dire merci de, participer à notre émission. Merci également à tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous poursuivons notre rendez-vous d'univers sur Kalangu. À présent, nous allons parler de cybercriminalité dans la rubrique hebdomadaire du jeudi du jeudi éducation. Samira Rouafi s'est entretenue avec Souleymane Brass, journaliste spécialiste en cybercriminalité. Il nous explique comment se caractérise le harcèlement sur Internet et les réseaux sociaux et ce que prévoit la loi au Niger. Le cyberharcèlement est un acte euh, intentionnel perpétré par une personne ou un groupe de personnes via un moyen des communications électroniques. C'est-à-dire, ça s'est fait quand même sur euh, les réseaux sociaux. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur TikTok. Ça se manifeste, c'est à travers des intimidations ou publier des fausses informations contre une personne. On peut adresser des paroles très agressives contre une personne. On peut publier ses photos. Souvent, c'est même des vidéos pornographiques qu'on publie pour incriminer une ou plusieurs personnes. Et ça fait mal surtout dans le contexte nigérien où quand même notre société est régalante par rapport à telle ou telle chose. Mhm. Maintenant, si on parle effectivement des fake news, des fausses informations, ça c'est notre quotidien et c'est ce que nous traitons. Donc pour le cas du Niger, euh, on traite chaque jour des fausses informations qui sont véhiculées sur ces réseaux sociaux. Comme on ne peut pas cesser euh, ou empêcher les gens de travailler avec leur... Euh, téléphone portable, de ne pas aussi travailler avec euh, l'Internet ou les réseaux sociaux. Moi, je me dis qu'il faut d'abord euh, sensibiliser tout le monde sur la bonne utilisation de ces réseaux sociaux. C'est important. Si on essaye de sensibiliser ou disons même d'éduquer même les gens, ça c'est important. Deuxièmement, puisqu'on a une loi qui est là, il faut aussi amener les gens à comprendre que le Niger a une loi sur la cybercriminalité et qu'il est un devoir pour chaque personne ou pour chaque citoyen de connaître le contenu ou les dispositions de cette loi, puisque ne pas commettre un tort à quelqu'un, après on vous interpelle et vous allez dire que vous, vous ne connaissez même pas qu'il y a une loi en fait qui est là. Mais au-delà de tout, il y a aussi la question de la responsabilité individuelle de chaque usager ou de chaque utilisateur de ces réseaux sociaux. Il y a des droits et des devoirs mais rien que pour les vivre ensemble, on ne peut pas en fait se permettre intentionnellement vraiment de harceler quelqu'un ou bien de chercher à les nuire. Ça, ce n'est pas bien. Donc, au-delà de tout, il y a là, quand même la morale, il y a l'éducation. On doit aussi regarder ce qu'on a comme valeur. Les vivre ensemble, c'est important. Merci Samira pour euh, ce moment éducatif qui nous éduque par rapport au digital. Chers auditrices et auditeurs, c'est le moment d'écouter la rubrique rose. Et aujourd'hui, dans la rubrique rose, jusqu'au bout des ongles, nos chroniqueuses vous proposent des marinades spéciales pour vos pentades, poulets et poissons de la fête. Également, elles vous proposent une façon de vous démaquiller correctement après votre make-up ou maquillage du jour de la fête. On les écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses on. Très ravi de vous retrouver, amis de la rubrique rose du studio Kalangu. Actualité oblige, dans ce numéro, nous vous proposons des recettes de mélange d'épices spéciales volailles et poissons qui vont magnifier vos plats de fête. I on. Première recette, un mélange spécial volaille. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de gros sel, 2 cuillères à soupe de poivre moulu grossièrement, 1 cuillère à soupe de poudre d'ail, 1 cuillère à soupe de poudre d'oignon, 1 cuillère à soupe de coriandre moulu, 1 cuillère à soupe de curry, 2 cuillères à café de graines de moutarde concassées que vous trouverez euh, dans les grands magasins, 2 cuillères à café de thym séché, du piment en poudre, à votre goût. Là, c'est vraiment à votre goût. Pour la préparation, dans un petit bol, bien mélanger le paprika, le gros sel, le poivre, la poudre d'ail, la poudre d'oignon, la coriandre, les graines de moutarde, le thym séché, le piment et le curry. Mettre le mélange dans un pot hermétiquement fermé. Le mélange d'épices se conservera jusqu'à deux mois dans un endroit sec et à température ambiante. Deuxième recette ça, c'est pour ceux qui sont du poisson. Pour cette fête, je vous propose un mélange d'herbes et d'épices comprenant des feuilles d'aneth séchées, des graines de fenouil, du persil séché, du romarin séché, des baies de rose ou faux poivre. Heureusement vraiment qu'on trouve euh, tous ces ingrédients soit au marché ou dans les grands magasins. Dans un petit mortier, mélangez tous les ingrédients et pilez légèrement. Faites attention à ne pas moudre complètement votre mélange pour conserver tous les arômes de vos épices. Ce mélange est à la fois doux et aromatique, très facile à utiliser. Avec ce mélange, vous pouvez également préparer une marinade. Pour cela, il vous suffit de mélanger plusieurs cuillères à café de ce mélange avec de l'huile d'olive. Laissez-y mariner votre filet de poisson ou votre poisson entaillé, voilà, environ une heure. Pour une cuisson à la poêle, au barbecue ou une friture, le tour est joué. C'est tout pour euh, aujourd'hui. On passe à l'astuce beauté. Coucou les filles, comment allez-vous Avec moi, Mariam, on va continuer avec le démaquillage, un geste super important. Aujourd'hui, on va découvrir quel démaquillant pour quel type de peau. On distingue généralement deux types de peau, voire trois, les peaux sèches, les peaux grasses et les peaux sensibles. Pour les peaux naturellement sèches qui ont besoin d'être hydratées et bien nourries, les textures huileuses sont les plus recommandées. Cependant, après application, elles nécessitent un rinçage en profondeur les peaux grasses. Les peaux grasses, quant à elles, sont déjà naturellement riches en sébum. Il leur faut donc des formules démaquillantes moins grasses qui contiennent de l'eau comme de la mousse ou l'eau micellaire. Néanmoins, il est possible d'utiliser des démaquillants à base d'huile végétale sur les peaux grasses. Leur pH similaire à celui du sébum de la peau aide les peaux grasses à mieux se réguler. Dans les cas des peaux sensibles, c'est surtout la sensibilité qui est le critère décisif en matière de choix de produits démaquillants. Certaines formules démaquillantes ou actifs naturels sont adaptées à tous les types de peau même à ceux qui sont sensibles et qui s'irritent facilement. En cas de doute, vous pouvez donc les privilégier, car elles tiennent compte de la spécificité de chaque type de peau. En somme, le démaquillage s'impose comme une routine à appliquer au quotidien. Ce n'est pas un caprice beauté, il permet à la peau d'être débarrassée de toutes ses impuretés et de pouvoir se régénérer comme il se doit. Elle gagne ainsi en éclat et n'éternit pas. Le démaquillage nécessite l'utilisation de produits démaquillants selon les types de peau et des gestes précis pour une meilleure pénétration. C'est tout pour aujourd'hui les filles, à la prochaine. Bye bye et bonne journée. Après la rubrique rose, nous partons en région et aujourd'hui nous faisons le tour de deux régions Maradi et Zender pour avoir les nouvelles des préparatifs de la fête de Ramadan. À Maradi, notre correspondant Mohamed euh, Maman et à Mariam Nouhou ont sillonné les villes pour s'imprégner de la température. À quelques 24 heures de la célébration de la fête de Ramadan, l'effervescence monte dans les grandes artères de la ville de Maradi. Autour des marchés, les salons de coiffure et les salons de couture, hommes, femmes et enfants s'activent pour être prêts avant cette fête de Ramadan. Pour Aboubakar, père de famille, les préparatifs se résument à satisfaire d'abord les enfants. Eh, to shere shiryen sallah dai shine muna ta saya ma yara kayan sallah e kuma ana sayan zabi na yanka ranar sallah kuma sayan duka kayan jajibir da wannan e akwai kuma abin da shahi na yara ana ciki wannan hidima yara wanda za su je aski mata su masu zo su yi kitso kuma sannan mu ma masu gidajen muna shirye-shirye akan dumki na eh, sawa ranar sallah eh, gaskiya bisa ga wannan ne ake yanzu da kuma abin da ya shahi fudda zakar Autour des marchés de volailles, les discussions sur les prix vont bon train. Si les acheteurs trouvent les volailles particulièrement chères, Ousmane et revendeur explique que c'est dû à l'augmentation du prix au niveau des villages où ils se ravitaillent pendant cette fête les femmes et les jeunes filles n'oublient pas de se faire belle en allant se faire coiffer dans les salons de coiffure pour Yvette, responsable d'un salon de coiffure à Maradi, même si la clientèle n'est pas dense, c'est compréhensible compte tenu de la morosité économique. Oui, les gens viennent, c'est à propos de l'argent, comme tout le monde le sait, que maintenant c'est un peu dur, mais on remercie Dieu, ce que Dieu fait tout est bon. Je fais la tresse, pénicule, manucule, tissage, presque un peu de tout quoi, de la coiffure. Je fais pour les enfants, pour les adultes, je fais le promotion pour trois jours. Si pour beaucoup de régions la fête de Ramadan c'est juste pour une journée, à Maradi elle se célèbre pendant plusieurs jours, ce qui impose à certains parents de faire plusieurs tenues à leurs enfants. sunana falmata Muhammadu gyari a class a turwasem nike ecole professionnel sana'ar da nike yi sana'ar kitso sai nike yi na hannu a wuni haka ina ma mutum ƙanana na kitso kamar mutum biyar kuma na mashaka shaka ina ma mutum uku dai a wuni kuma da lalle haka shi ma ina ma mutum uku a wuni da ke lallan zamani ne irin wannan na kayan kayan iskot shi a wuni kana ma mutum uku kitso haka dai in na yi shi na yara ana bani wata ɗari ɗari da hamsin na manya shi kuma in na ana bani shiga haka ɗari uku dai ake bani na mashi shi kuma in na ana bani 2 mil haka dai ake bani shi kuma lalle in na haka shi ma ana bani mil franc 2 mil abinda dai ya sawwaka kama in ba sallah ba ne nawa kike kitsa kan babba kamar ina dai kitsa na babba haka ɗari dai da hamsin nake kitsawa na yara shi kuma wata hamsin ma sattin in ka samu duka dai kana yi to kamar yanzu kin ce a wuni kina ma mutum uku zuwa hudu kitso na hannu wanda ba na mishi ba eh, kuma tun wani lokaci ne kike fara kamar tun da sahe zuwa magarba ne ko ku zuwa wani lokaci kike kitsa wannan kawunan A'a kamar yanzu in na tashi dai da sahe kamar in lokacin sallah he ka wuni kana kitso. Shi kuma lokacin da ba sallah ba ka ko da yaushe ma mutum in dai ya tambaye ka kana iya yi mishi. A sallah dai in ka wara shi gaskiya kana kaiwa har dare. Kayan ka ƙare wajen kai biyar dai haka da na manya da na yara da kake yi. Na mashi dai ne ake wanga ake jama'a. So kamar kitson mesh mutum biyu kike ma ana iya baki nawa a wuni? shi kuma mutum bi haka in ne a wuni, wa'insu suna bani jika bi haka, wa'insu kuma suna bani jika uku. Shi ma abin da ya sauwaƙa Kuma yanzu haka kina da 'yan kitso da lalle da dama da zaki ma kahin zuwa ranar sallah. A ina da gaskiya 'yan kitso sosai diya ma, a yanzu haka ma ina tsakayin shi da lalle. duka ko da yaushe dai ina yin shi kamar lokacin kitso kamar rana rana ce ranar kitso kamar in nayi ranar kitso kuma washe gari in yi lalle haka nake kin jima kina wannan sana'a ta kitso da lalle ko a bana ne da kika shiga wannan makaranta ta koyon sana'a hannu a gaskiya na na jima ina yin shi na jima ina yin kitso haka tun dai haka dai yara ƙanana dai ina kama dai ina yi musu ban mai da ba hankali dai haka he yanzu a yan shekaru biyu zuwa uku haka na mai da hankali nike yi shi. Tardoki ne ake gidan ku ku yi koko kina zuwa gidan mutane don ki musu Voilà, c'était là le reportage régional. On me signale de l'autre côté de la technique que euh, notre correspondante Mariam Nouhou, qui a réalisé ce reportage, est au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour, ça va Ça va bien. Yawajankou. Ah, alhamdulillah. To madalla. Wai kaka ne ake shirye-shirye sallah a garin Zandar? Eh to alhamdulillah ana iya cewa a nan da magaran shirye-shiryen sallah ya kan kama tun nan da wani ɗan lokaci ma banda a san yin sahiya yau ne martaba sarkin da magaram. Mm. Abubakar Sanda ya ta yi sabkal Qur'ani a babban masallaci na garin Malam tare da magabata na da magaram. Masha Allah. Eh, tare da kuma fada wanda suke ruwa mishi baya baya ga shi dai a yau kin muna iya cewa abin da ya ɗauka hankalin jama'a shine wajen 'yan kashi da zabi mm. wanda in aka diba yau masha Allah akwai su fiye da yadda ake zato bana ana iya cewa da hira da nai da su wani lokaci eh. ba a samu ciwo ba na kashi da zabi kamar sauran kasashe da aka yi ta samu shi yasa da magaram take da su fiye da yadda ake zato zabi da kashi sai dai duk da haka ana iya ganin kudin su daga jika hudu hudu da rabi zuwa biyar ne yadda farashin su yake tahiya wanda cikin kasuwa da unguwanni zaka ga ana yawo da su bayan nan sai kuma in ka shiga kasuwa dole a abin da ya shahi wajen yan kamiya wani persil da seleri kayan yaji kasuwa mm. dole ta da magaran a cike take ita ma wajen masu saye da sayarwa sai kuma in kaleka wajen masu saye da kayan yara mm. har yau na ma abin ana iya cewa ba a kama hannun yaro mm. inda wanda bai sai ba yau kenan daga yau ne dai karshe ana sa ran wannan sallah za a yi ta gobe wanda kuma jama'a ke cincirin do tare da yaran su wajen sayan kaya da takalma magana kitso da lalle ma in ka diba gidajen da ake wannan ka samu mace fiye da ishirin talatin wanda suke zaman kitso da lalle banda wanda zakatar da asalau suna jira a musu wani kitso na mesh da wani gomash da mm. sauransu a fannin tayar kuma mm. a da sahiya ma wajen karyatar na zagaya wajen oh mariam mariama <laughs> on va te ci ba vas aller faire <laughs> na ce an tuka ce na komi yana nan ga tayya daidai a can ah, zandar sai wata rana Mariama. Ah. Mungo de Sosei Mariama, merci beaucoup. Amis auditeurs et auditrices, le Niger sur Kalangou se poursuit et nous allons cette fois-ci recevoir notre chroniqueur sportif. Il s'agit bien de Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour Seno. Adam qui nous prépare ce matin un point complet sur les résultats de la compétition, la Coupe d'Europe des clubs. Oui, Oli, on connaît désormais les quatre clubs qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors, il s'agit tout d'abord du Real de Madrid qui a surclassé Chelsea sur le score de 4 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Manchester City sort le Bayern Munich sur le score de 4 buts à 1. Milan AC élimine Naples sur le score de 2 buts à 1. L'Inter Milan élimine le Benfica sur le score de 5 buts à 3 sur l'ensemble des deux matchs. Alors, est-ce qu'on a le programme des demi-finales, Adam Oui, les matchs allés des demi-finales vont se jouer le 9 et 10 mai prochain et les matchs retour du 16 au 17 mai. La première demi-finale opposera le Real de Madrid à Manchester City et ensuite le derby 100% italien entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Adam, on joue également les quarts de finale retour de la Ligue Europa. Oui, c'est nous. Voici le programme des matchs de ce soir. L'Ice Rome jouera contre le Feyenoord Rotterdam, victoire du Feyenoord au match aller sur le score de 1 but à 0. Le Sporting Portugal contre Juventus de Turin, victoire également de la Juve, un but à zéro à domicile au match aller. Le FC Séville jouera contre Manchester United où le match aller s'est soldé sur le score de deux buts partout à Old Trafford sur le terrain de Manchester. Et enfin, l'Union Saint-Gilloise, une équipe belge qui est actuellement deuxième de son championnat contre le Bayer Leverkusen, match, match aller s'est soldé sur le score de un match nul d'un but partout. Et c'est la fin de cette chronique, Oli. Merci, merci infiniment, Adam, pour ce moment sportif. Merci. On souhaite bonne compétition aux athlètes. C'est la minute. Portrait dans le Niger sur Kalangou et aujourd'hui notre star est une jeune dame. Et oui, aujourd'hui nous ferons le portrait de Rachida Idi, une jeune fille qui fait de la menuiserie bois à Filengue dans la région de Tilaberi. Elle travaille dans un atelier de fabrication de meubles. Rachida est la première à pratiquer euh, cette activité dans la commune de Filengue. Suivez son portrait dans ce reportage rendu par Asumana China. Farah. Rashida an haife ta ne a shekarar 2001 a Filinge. Tun tana karamar yarinya ta rungumi ayyukan da maza ke yi har zuwa shekarar 2021 inda ta kama aikin kafinta. Biyan bukatun kanta da kaucewa zaman kashe wando su ne dalilan da suka ingiza Rashida cikin wannan sana'a. Aikin katako abin da sa birge Na ga mutane da yawa suna yin shi kuma abin da za ka yi na ka ci gaba ya yi ma ka ce ka zamana wani shabaka. Kuma aiki yau abin da ada ka zamana fada fada ba ta da daɗi. Duk aiki ciki ya zama kuma aiki alhamdulillah babu wuya tunda duk wuya in dai ka sa hankuri shi na wuce dina ka dai samu ga kokarta ka yi aikin da ka iya shi baka da dariya da kowa in dai na sa hankuri cikin rayuwata ina ci gaba in ka iya komai mai wuce wannan sana'a ita ce tushen samun kuɗaɗe a gare ta kuma take biyan bukatunta tana da burin buɗe ma'aikatar ta kanta ana da samun shika dari ku yar haka na ne kamar abin da ya na. aka baka a ce da hankuri kuma cikin hankuri na muke komai mai wuce kuma kowa suna alfahari da babu mai kushe ne kowa na kokarin Allah san ya to addu'a da suka min cina akwai wanda tsohon da ma da daji kika ka kwashe min da Allah ya kama ake kenan ga gani duk abin da an ka ce ma kai yanzu katakon nan dina ne tsaya rayuwa da ka na tar gida kasuwa a tele na ne da ka ce a tele tun sattar kana iske burin da Nick jima ina so in iya aiki haɗin in koya mu dinsu. Ita ce 'yan mata tilo kuma ta farko da ke gudanar da aikin kafinta a yankin hukumar Filinge, malaminta na cibiyar horar da matasa kan ayyukan hannu na filinge ya yi ƙarin bayani. E ita kaɗai ce muka samu mace da ta fara rubuta kanta a aikin katako. Tun karyan lakwal ɗin nan yanzu wajen shekara ashirin da ɗaya. Basku santar ɗin nan 2001 eh, aka buɗa shi. To tun 2001 zuwa yanzu mu taɓa samun mace waɗanda ta yi CFM dai wadda ta yi mechanic ko ta yi construction metallic ko ta yi menijeri ba mu taɓa samu ba. E duka in ba rashida ba ita ta zo ta fara ita kuma ba mu cimma gurin mu ba gare ta. Tunda ba ta tsaya ta samu takarda ba. Rashida game da aiki yanda ke sun namiji ke aiki haka rashida ke aiki. Dama damar da bamu samu dai ta tsaya da mu tsaya kullum sai in ta zo in ce Rashida in ki zo wurin ga sai zanni talla sai in ga hankalin duk ya kasuwa haka aka ko da shekara ta kare Rashida ta kuce duk da yake tana yan mata tsakanin samari abokan aikin Rashida suna yaba aikinta al'umma da iyalinta na ci gaba da bata shawarwari na gari domin ta zama abin koyi ga sauran yan mata na yankin Les portraits, ce sont ces petites histoires qui nous inspirent et merci de nous inspirer à travers ces beau récit. Cette fois-ci, nous allons poursuivre avec la rubrique recettes culinaires. Et cher ami, tenez-vous bien, le plat du jour, c'est le coriasala. Oui, Olivier, coriasala qui veut dire littéralement en français la calebasse pour la fête. Comme son nom l'indique, c'est le cadeau offert pour les fêtes par les mamans à leurs filles mariées. Cette calebasse est composée de vivres, de la volaille et des condiments. Pour plus de détails, suivez le reportage de Ramatou Issa Wanke. Al'adar kwaryar sallah da yana ɗaya daga cikin al'adun iyaye da kakannai waɗanda a 'yan shekaru baya-bayan nan ke fuskantar koma baya. Uwani na daga cikin matan da suke ci gaba da girmama al'adar kuma ta yi mana bayani bisa kan abin da ake nufi da kwaryar sallah. Misali ɗiyata ko ko haka dai ɗiyayya yawa na in riƙe ta rai in yi mata arme. yanzu sun sallaga da ta kusa sai in yi mata wai guze ake ce mishi muku mu ce mishi dan bakwai ana mata shi na ɗaya da shinkafa in baka da hali kana yin na ɗaya da shi daga garin masara kana azumin ka litur biyu in kana da hali kana aza ka hudu zuwa biya kana yin kwankwan tumatir kana yin roma ji ke kayan miya dai cukam na a gani a ci alisa albarka uwa wance taka ke in masu hali ne ma habba hu mulmuliya akai da bududuwan mayuka da zabi ko rago a ce an kai ma an gaye kayan sallah da wayo na dai da na tashi dai cikin garin zandar dai na yi wayo har na zo ga da arme na yi shekaru ana yin shi ni ma wurin gada nake amin ya kai kashi uku kuma ko uwar ciki na bata mun ba mutanen kannanta ko abokanta abin nan arziki da nake in yi tuwo in na rike su da daraja in yi musu gumba in yi tuwo in za ni ganin su goran ganau in kai to in Allah da aka ce miki sallar azumi ce ko sallar lece ban ce yaya zan yi ana ciko mini dan bakwai ko daro ko wai gwiza dai za a ce yadda mutane za su sani ana ciko min shi da tarikice cokam. Amarya sau da yana daga cikin ɗaiɗaikun amaran da suka samu ƙwaryar sallah kuma ta yi mana ƙarin bayani bisa kan kayayyakin da aka sa mata da kuma irin bambancin da ta gani da wanda ake ma yayarta a da. Zuma ta aiko mini zabi, ta aiko min buhun shinkafa, ta aiko min maka, ta aiko min kuskus. Haka ne ya ta ma da ta yi arme ake yi mata. amma ya ta kaman ana sa ne matan unguwa su kai mata amma yanzu bai huce ni bai huce mutum biyu haka da ake bada su kawo mini talauci dai na daga cikin abubuwan da suka jawo koma bayan wannan al'adar wanda kuma ta wani share ɗaya baya da nasaba da addini a cewar uwar gida amina ba dole bane ba dole bane musamman inda iyaye ba su da gaskiya bai kamata a dauki nauyi a zamu su in suna da sana da hanya da sun yi madiyar su ba laifi bane amma in dai har babu hanya babu dalilin shi kakka matsa ma uwarka ko ka matsa ma ubanka da sunan sai an maka kwaryar sallah dan dai ko addini dai ban ji shi ba wanga zancen kwarya al'ada dai ce da ta uwaye da kakanni da aka isko da aka ana yi to wasu iyaye dai na ci gaba da girmama wannan al'adar ta hanyar kai wa diyansu amare abincin sallah a yayin da wasu ke ganin lokaci yayi da za a bar wannan al'adar duba da yanayin da ake ciki a wannan lokacin na rashin kuɗi Merci à Ramatou Issa Wanke pour cette proposition de reportage et après cette Proposition, nous retrouvons les femmes du studio Kalangu avec le loti. Le loti d'aujourd'hui porte sur euh, le programme euh, des télévisions que les enfants regardent. Ils sont nombreux, les enfants qui sont accros aux écrans des chaînes télévisées. Bref, ils passent plusieurs heures devant le crin. cela pourrait avoir une influence sur le bien-être et le développement intellectuel de l'enfant. Écoutons Salamatou Kadri et Aminata Boubacar en Zarma. <laughs> Lotti. Lotti. Lotti. Lotti. Lotti. Hai Samira, tela din wese wasi wasi. Eni mirka bani bafuna din kul tela ganda noni gate. Chini zari sifunu, wat kul tele gunen irko se awasa. salamu alaikum hey mamu bani kan ni so bai kat ko ciyo ga yakini ai go hal windo me ai go gumanisi wal bai na ga bugai sai non go sala ai duwano buli zan kai wo dai no ba ga ya ro jajandi hai kunni si ga hansa windo ra kal tele gunya ba dai bora mu tunga ka gun wari keke han foyan bora stun television wo maga gun dai gidi ai kwar samira hai gi hima nigi ne mu zugantaize kal dai ni mihin su zamani zan kai wani singi gangi tele gunyan fa to gunime ba ni ga ba ni mi don ton buti kodo hadde mun tun tungu ko le ko do ka ikan bairano wonnim te la dai kota kota isi mani se ha ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele gunyan wo da ba gumo a hinga kan di sandai bora ga han bano do haga son ka binde zan kai wani ba funa do hari ha babuli ya dinga ni ko faman dai sai ka ga hinga bora lutandi wala ma danandi ni lakkalo kanan di mamu dan matkan bere ko nai won ki dafa ag hinga kande sandai iwan bafuna do haga sonk binde kina do haga da zan kai lakalai do haga kan yamman to giri hinza ifo no ni gogo faman da sai koi ne na bo koi ne mamu furta gai do haga wo nigidi tela gunyan wodin da bagumo agi bun bu in poi foga inga chalega wa to kulin gai hinne isi ba fa ka gai modin gai wan mat ka gi himanda da mo koi ne iwan chawo isati ambugi ingai wa haikan nisa kullu daigiti tela dingu yon oho nigi chumbo buli zama yi kwara samira da chat hal composition wodin ga aga bisa aigo go gai bon ha bon bo kan do ko tuyo ha ni woni mbono ni izo dan tele gunyan yaki ni ni ma ga cinga fa dano wal mo manan am ko a wan chal wan diedo im cinga fore so ni go fa man dai se kan ya dinga wani masal ban batano ai kan me kalba television wadi no ga nan am furcha lai jine zama han en da ka ginga faransi ci ni ban bata ban bata fuan ta se ai wo ai se ba fa mai ka ga nai se han ya a za dai kan son woni ni bai dini bon bumboda ni hima ga da bar samu wasi ai mu han ai kwara aina telawi ai aiwan izo ismail a kafurai se fura da futai da katikatiyan haikan sai na telawi abin da lokacin kina aka saban da kan a wani hasai lokto fugai kwara inga dai nuna ino ya maryam matkai himagati abin da ai zan kai dai wallahi alhamdulillah shi igin gai furai te haifai musu stugin sai chogo ido ni bagai wana kobai vita gai da baliya <laughs> nde mataloni te faman dai sai me buli he son kunonin haya hannu te ni bonse hanni gina ni izai mu kaso bai guguwar te lagini duba ga hamzin yan diyan nan gu kwande hadda kanisi ga bisa ibongai ga fer gu tonton iga hambano mu gubori son daboro go ni se ngono ni go ga faida yim diga kata kata i bonse yakin cine fo kalai bino mu koi kai patga funga kan ai mu buyi mu koi ga bugu furu dai son ai kwar samira ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka dani min za ka hau guburi har dai duko ciya manto giri hinza masta am tele ba a tomo gir ka a himga tela guni. ma bai si jir kanya a himga gun tela ga mo lokaci kan a himga dan si jiro gune ngoga danga dai amsi bisa guri hinka yancin noya nimcin ga lakkal ga gagun gadi tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan giri marci kan cinno burahim ga si gadin guni. aman ban kwai ne din si ba mu amsi si jir fo ni gi hinga kwadi danga ga kan ga nan amsa gune wankan sigine control parental ya ah buli wo kan gahan tum ganda kan go kurkuto da raki gadan bore kan manto jiru wai go koi jiru wai cin hinka filmai ganda ai mu go kai bon ha ifo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiru wakin idu da jiru wakin da hakubun boda i wana gunu amma da halka son imanto wadin gabo aha son nay faham buli son dai faham gaba internet to bumbo ay gi hinga su bana se hay ka gi hinga te abun wala son kunno ni faham mamu to ai man ne wo kai samira a ga targa yarda amma dai nimsta dai aminga wani kwasa din dangin mu dabal hey buli ni nay fundo fa ba zahun kuna inga ne gice ciga masalawo banza ai sihin walla ai zai mu koitai sai tubbe windo a to a ga bisa Merci aux femmes du studio Kalangu pour euh, cette chronique loti très éducative. Nous nous acheminons vers la fin du rendez-vous de ce jour et la prochaine rubrique est notre rubrique linguistique, une rubrique pédagogique qui nous permet de partager avec vous des mots et des groupes de mots. Et tenez-vous bien, vous savez quoi Le mot du jour, c'est le mot mood. Mais attention, on ne parle pas d'humeur. Abdul Momoni, c'est quoi le mood Olivier, et chers auditeurs et chères auditrices, euh, Mood est appelé ça en français. C'est un instrument ou une unité de mesure pour prélever la zakat el-fitr, l'aumône de rupture de jeûne. C'est une sorte de coupe qui peut être aussi fabriquée localement et qui se vend sur nos marchés ici. Le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, chaque musulman prélève pour lui et prélève également pour les personnes qui sont à sa charge. Quatre mesures de moud de céréales ou de tout autre aliment équivalent équivalent à 2,5 kg offerts aux pauvres et qui constituent la zakat prélevée pour une personne dans un délai allant de trois jours avant la fête de l'Aïd el-Fitr au jour J. En day, j'ai prévu de traduire pour nos chers auditeurs et auditrices le mot mood en Fulfulde, c'est eter de itir de gauri horenon. gawri hoore ittetendi ndi duni fa hannde no woodi mbi'oɓe ɗum muduri muduri di enden balɗe tati fadde juuleede neɗɗo waawi ittude ni muudu o duni fa hannde no woodi waɗoɓe ɗum ɗo enden nder leydi meɗen no woodi duni fa hannde cottoɓe ɗum nder luuɓe meɗen muduji nayi ñamri teddirka mu'en kan gatta kiloji ɗiɗi e feccere kandu julɗo fuu ittanta hoore mum ittana duni fa hannden tawaɗo dow dongal mum fadde himɓe ƴuwde julɗe Avant de te dire au revoir, Mood, c'est en quelle langue C'est en français Mood, euh, je pense que ça doit être un emprunt. En français, on l'appelle ça ça. Merci beaucoup. Merci Nali euh, du partage. Chaque jour un mot, c'est avec plaisir que nous partageons ces moments avec vous, très chers auditeurs et auditrices. C'est le moment de vous donner la parole. sunana hajjara daga nan baushiri muna jin daɗin shirin da ta studio kalangu take musamman akan mata auren gauga rashin zuwa lakwal ina gaida harizuwa Je m'appelle Cheikh Aliou, je suis professeur d'éducation physique et sportive au CG franco-arabe de Balayara. Par rapport aux émissions du studio Kalangou, j'apprécie beaucoup, surtout les émissions des week-ends où ça parle de la jeunesse. Aujourd'hui, qui s'intéresse à la jeunesse s'intéresse à toute la nation parce que c'est la base de tout fonctionnement. Et c'est des émissions que j'apprécie beaucoup parce que ça parle de tout sans tabou. J'ai des dédicaces à, à l'endroit de ma grand-mère primaire à Zander, à tous les professeurs d'EPS à l'écoute de Kalangou, notamment à Dosso Ali Barazé. À Difa, je salue Monsieur Ali Zada, il est aussi professeur au CES euh, de Difa. Sunana Ramatu, ni ina cikin garin ni ma abuciyar sauraron studio Kalangu ce, ma bisa kan labarun haƙoƙi na mata, musamman kiwon lahiya da sana'o'in na mata. Hallo muna son su ci gaba da faɗaɗa shirye-shiryensu. Ina gaida dukkan mutanen studio kalangu sunana musa metro daga boshiri muna jin daɗin shirin nan da studio kalangu take saboda shirin nan yana wayar da kan matasa musamman ma a bisa kan auren mata na wuri da suke yi ga ta burada gaskiya shirin nan yana ƙayatar da mu mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki ka'yan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙara sa mana hannu cikin shi ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na shi daɗi ina gaida hasiya a dubai ina gaida maryama a dubai gaskiya muna sauraron kalangu sosai sosai lokacin da na karatu ma a yamai kullum da abokanai na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba surtu na france wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya Merci pour ces beaux messages, chers amis auditrices et auditeurs. Nous sommes à la fin de l'aventure de ce matin, mais avant de laisser l'antenne, nous recevons Nafisa Adamou Sirfo pour les titres du jour. Bonjour Olivier, bonjour Seno. À partir de 17h, donc, vous aurez tout d'abord les conseils d'un prédicateur sur la célébration de la fête du Ramadan. Ensuite, vous suivrez le cri de cœur de quelques habitants de Dakoro sur un problème d'eau dont ils font face depuis environ une semaine. Enfin, le magazine du jour parle du mariage des enfants et de ses conséquences sur leur vie. Nous sommes ravis de faire cette aventure radio avec vous dans l'espoir que ce fut un moment passé ensemble. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Adam Adawaki, notre chef d'édition. La technique a été assurée par Seni Isaka, chers amis auditrices et auditeurs. Bonne fête, prenez soin de vous et à très bientôt.